tout ça la fada da fatan kuna lafiya e que an koma karatu lahiya abu kanmu na fada wanda suka yi rantare aminiyar pas ta kullum ce rabia mai kano au micro to lakwal dai en koma le 1er juin passé mais le 2 juin déjà modor de grève no comité directeur qui usn sai ga un de de un lycée à zamna gida to bayan wata biyu kulwe a la maison sabilin wannan annobar ta covid-19 yan makaranta an a kwana 45 pour mettre le paquet et réussir cette année la fada se pose plein de questions comme comment se déroule cette reprise un peu particulière wannan kwanan 40 da biyar kin da aka baku yana zasu yi amfani da su don ku nutsu a kare wannan dai karatun na bana lahiya bon bana ga amku inda muke directement vous allez deviner un peu je vous dis un peu plus sur le lycée qui nous accueille aujourd'hui wannan lisan na cikin na fari anan kasar mu situation géographique mu gab da kasuwar katago kuma tenin su fari da tsanwani on est où les gars On est au cassé. On est au cassé. Donne la mise à dire. On est où ma belle Au lycée cassé. Ben voilà, vous l'avez entendu. On est au lycée cassé. Chaleureusement accueilli par euh, les élèves, euh, l'administration. Nous sommes à cette fois-là avec Abdouhima, Mahamadou, il est en terminal. à Sava. Abdou Oui, ça va très tu vas bien. Dieu merci. Nous sommes également avec monsieur le proviseur. Présentez-vous euh, euh, à nos auditeurs. Karim Adamou Ibrahim, proviseur du lycée d'enseignement général Kassei. Bonjour monsieur, bienvenue sur tous à la FADA. Oh, à la FADA, comment président de association des parents d'élèves. Monsieur Aruna, comment Kakaragou Kassan Day donne des hommes de savoir rubrique Nantes. Chaque semaine, un artiste va faire passer un message. Il faut d'accord parce qu'on a un de Covid-19 de la musique et la chronique de la FADA juste pour vous, amis de tous à la FADA. 45 jours pour rattraper tout ce temps perdu. Kwana Arbain de Pierre. Dans karatu Au lycée Issa Karambé de Nyame, cette reprise a été effective, selon le proviseur du dit lycée. Il ajoute que tout en respectant les gestes barrières de prévention contre le Covid-19, le programme sera achevé. On écoute M. Euh, Monsieur Aboubakar Harouna, il est au micro de Satou Adamou. On l'écoute. Vous avez vu, il y a des blocs de classe. Donc devant les blocs, nous disposons de trois kits de lavage de Et les élèves, donc, avant d'aller en classe, il passe par euh, là pour se laver les mains. Donc chaque enseignant est appelé à prendre au moins trois minutes de son heure pour rappeler ces mesures préventives qui doivent être observées par les élèves. Les enseignants, ils ont commencé les cours et avant même la suspension, certains enseignants, en tout cas ici au Corombe, étaient déjà à 75% de l'exécution du taux de programme. Donc ce qui veut dire que d'ici les 45 jours, en tout cas, beaucoup sera fait. Il s'agit maintenant juste de résumer les différents chapitres restants pour que les élèves euh, puissent avoir euh, euh, l'essentiel de ce programme-là. Et on espère qu'avec cela, nous pouvons vraiment valider l'année comme il se doit. Bon, voilà, Monsieur Karimou. On a écouté le proviseur du lycée Issa Korombe. À votre niveau, Yayane, comment ça évolue Bon, pour ce qui est du lycée d'enseignement général Cassé, mhm. nous pensons que à notre niveau, avec le niveau actuel de Mm, dans l'exécution du programme et les 45 jours qui nous ont été attribués là, nous pouvons boucler le programme. Parce que euh, juste après, juste après euh, euh, la fermeture des établissements, mm. surtout pour ce qui est des classes de, de et les classes les moins avancées étaient donc à 55%. Et là aussi, ce n'est pas au niveau de toutes les disciplines. Quand vous prenez par exemple, surtout en terminal D, c'est hmm. surtout en SVT et en PC qu'ils sont à 55%. Sinon, en maths, ils sont très avancés. Et ma foi, avant-hier, il y a un de mes enseignants de Terminal D qui est venu me dire qu'il vient de boucler son programme de mathématiques. Eh bien, voilà. Mais bon, Yanzo Indao vous là, les premiers concernés là. <laughs> Abdou. Ok, on peut compter sur vous. 45 jours, Kingo. Bon. déjà, euh, la rentrée, rentrée, comment déjà, sifflé, on Bon, ni, ton, ni de na, 45 e, e jours in, mm. muna e carré program in, kuma ina e kuma ba mu programme program in. Mhm. Eh, da na muna programme. in, nan ina na gwamnati tunda sun si hidda Blanche tunda sun hidda cikin hankalinsu a ne blanche in la on peut dire que muna iya samu mu kare abun ga tunda sun samu disposition in wanda sun ke suna ba mu don karen sanki juri in nan mu samu mu yi karatun mu ayi su lahiya ba ayi su madalla to wurin da nace kuma ba mu iya kare program in ina yi reference ne da abun ga kun gani dai shekaran jiya da lendi ne mun yi rentre le mardi mun ta grève menene ya kawo grave in nan suke gwamnati ina iya ce ba su rike alkawalinsu ba yanzu in suna so kare sanki jur in nan mu samu mu kare program in mu masalan in duka tule problem wanda sun doka kamar suna iya jere don mu kare karatun mu dalai karen sanki jur alors ka akama ba ayi eh, jere kenan ayi jere kinsu bon On va parler au papa là. Merci. <laughs> Monsieur Aruna, vous êtes le président de l'association des parents d'élèves, le président du COGES aussi. kun shi dai abin da wanga dan naku yake nan ga cewa karan san kishur da ya kuma ga menas menas ke wannan nasu ya kuke gani wannan al'amarin za a tere shi an tanki fara kuma percevez cette situation vraiment abin da nake cewa mun ji daɗin wala lakwal dan ba kusan ba watan nan biyu da aka yi yadda muke tashi mu kwana mu tashi abu ne wanda ya kama mu karo kuma kun kowa sani uba ya tashi da sahe da ɗiyan shi da ya kamata su tailakwar suna nan kuma komai iske su suna nan dai zamna gida dai zamna gida abin ba daɗi an yi asara da yawa amma da yake ciwo ne ba wanda ta abin gaba ne ciwo in yanzu ko da lokaci duk abin da samu sai a sa hannu biyu a karɓe shi kuma mun ji daɗin da aka ce abin da ya yi sauƙi har ya kai inda za a ce a komo a lakwal mm. an ce cikin kwana arba'in da biyar su nutsu an aka nutsu ana karatu wallahi an ce a yi soviet din shekara to muna fata haka nan ta samu kwarai don saboda shi abun nan kan uwayen yaran kan su yaran kan mushi kansu duk kowa abin ya kai mishi karo don abin da yanzu wanda koma tsakanin ɗan lakwal da uwayen shi. Ala ma belle, je t'écoute. Passe-lui le micro, Abdou. Mm Ça va ma belle? Comme, comme l'a dit le, notre censeur, et mhm. franchement, moi je suis du même point de vue que lui. Ouais. Au fait, la maladie, c'est mondial et c'est pas, c'est sur tous les plans. Donc, on peut pas dire que nous aussi, on est en retard. Mhm. Parce que avant que l'année a bien commencé, a bien débuté. On a vraiment l'année était bonne avant que avant que la maladie ne vienne. Mhm, mhm. Et je pense que c'est pas c'est pas de notre volonté les deux mois qu'on a pu passer à la maison. Et comme déjà on est, en avance, on est on est dans les normes avant que donc les 45 jours là ça peut nous suffire largement largement suffisant pour qu'on puisse finir les cours. Parce que nous nous par exemple et notre professeur de philo il a programmé que avant même que que les 45 jours finissent, on peut finir nos, nos, programme. Et, ben maintenant, et, faire des séances d'exercice. OK. Pour que pour qu'on puisse euh, être préparé. Être, euh, oui. Donc, je crois, prêt, que, quoi, pour, euh, je crois que. Ah, c'est. <laughs> Ah, ce <laughs> que je veux aussi que les élèves comprennent, et c'est nous aussi, on a une part de responsabilité dedans. Ouais, ce n'est pas. et ben tout le monde doit être vraiment, tout le monde doit mettre la main de la patte pour qu'on puisse. Amir tout ça à la fada il y a Fatima qui dit que, que, tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Donc on va se détendre un peu en musique avec euh, Risky de Davido et on se retrouve euh, juste après. Big ways, five face, ten days. I don't wait for you, my charge. For you, my charge. You want the phone? No case. I no go talk. Scarface for you, my charge. For you, my charge. Take me, take me everywhere you want to go. Oh, tell me, tell me everything I want to know. No lies. No, no lies. Yeah. Run am, run am anyhow you want to run. Shake am, baby girl you fire pass it on. No doubt, no no doubt. Mm. Cause you say, kilo come, I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Ubi risky, body whiskey, get tipsy, but all the risky. Kilo come, I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Ubi risky, body whiskey, get tipsy, but all the risky. Risky, risky, yes, double risky. Risky, me no go 50. Whiskey, whiskey, yes, sir. whiskey. Whiskey, whiskey, risky, risky, risky, risky, whiskey. Whiskey, whiskey, risky, you know go Whiskey, whiskey, risky, risky, yes, sir. whiskey. Whiskey, yeah. Been a very long time, yeah. Me still a waste for your wine. Mm. Body curve up, you're clean and cute, so your nickel them blow my mind. Me we give you money anywhere, anytime. Jiggle up your body, make me see your waistline. Yeah, you know you need me and your body risky. I grade than whiskey tonight. Yeah, you know you love, guess why? Just up in and right hairstyle. Me we give you the world, baby. Me say you are my bonfire. Girl, love your style. Ready to give you the ring, girl, child. Retour à la FADA, FADA spéciale à lycée Kassei. On est ici avec le proviseur euh, Abdou, Terminal A, Fatima, Terminal A, le président de l'association des parents d'élèves. muna nan muna hira bisa kan wannan koma lokal kin da aka yi yaya ne wa'annan kwana 40 da kin da aka ba ai makaranta ya ne za su yi unhari da shi don wannan anan dai a yi karatun wannan lahiya a ƙara lahiya kuma masu bak masu breve kowa dai a ce ya samu kuma hankalin kowa ya kwanta karan mance ita dai wannan annobar ta covid-19 ita tsunduma mu cikin wannan taɓarɓarewar situation kin da muke ciki in shin dai hujere biyan tout ce qui sa takunkumi wani wanke hannu da kamannin su eh, ça va monsieur le monsieur le proviseur yaya ne biskan harkar mesure donc bisa kan harkar matakan da aka ce a doka mm. bisa wannan covid kin nan Mhm. lalle a nan lise kasai mutu alhamdulillah tun da dai in tuka in semaine kamin a yi rantre gwamnati ta tura mutane sun zo sun sa wannan poison da ake ce ma disinfectant mm. an sa cikin klasoshi <laughs> sai a ce poison ko disinfectant eh, <laughs> eh desinfectant eh, <laughs> mhm. bayan wannan kuma kamin eh, veikin rantre kuma mun samu kit na lavage de main wanda ake mm. wanke hannuwa mun samu nan da sabuni isasshe eh, don da su kote saba to kamar dai wanda muka samu mm. kamar klas biyu kit guda sai mu ce kenan alhamdulillah ya isa tun da kit guda robi ne biyu ne gare shi ok eh oh. eh bayan wannan mm. kamar takunkumin nan da ake badawa su ma an ba duka administration da an sanya okay. sai dai 'yan lakwal an ce mu gaya musu uwayensu ne kamata su sai musu ah, da dai abun ko ɗa biyar gare ka arba'in arba'in ne abun yake kenan ko ɗa biyar gare ka shi ka kawai yake tashi kenan to yanzu kamar wannan abdu ma ai abdu in ka sa ka hidda ka wanke ai ga ga ga ga fatima na gani ita ma nata har wani wannan kin shi ta yi wani mod ta yi da hijab nata <laughs> da wani ai wanda ake wanke to yanzu takunkumin takunkumin ya ne ana nana sawa ana wanke hannun koko dai an zo an yi installe ne kawai to bon da tuwa zamuwa claire man gaga yin gaskiya to tun da an kawo su dai muko muna nan ga aiki da su aha iwi muna nan ga aiki da muna nan ga wance hannuwan mu hmm. wannan muna nan ga yi su eh amma wurin da an ka ce bavet in nan takunkumin nan wurin hmm. nan akwai matsala aha paske mun ga ecole da yawa da ba uwayensu ne sun sai musu ba ecole publique muna yau doki nan ga da seje himayen kori seje 3 eh su ba su ne ya sai musu ba ekol ne an ka musu muna iya ce nan lise ka sai mun yi su efektif la muna iya ce mun yi su yawa amma ko da haka ne mm. mu ko ya kamata ce gwamnati ko da suna iya kawo mana kadan ne a ce wanda ba su samu ba su kara su sai wannan muna iya gani kamar abu ne da sun tuna da mu don me ana iya kawo mu an sanyan a ce ba kawo mai elef ban vala mai sai haruna abin da wannan ino da muke furta din nan duk ilaharat in ta yi tsada dala ashirin ko to yanzu ba sai ki buɗa ki rasa hmm. in mota in ma an samu ne aka san ko nawa ne kuɗin ai da daɗi hmm. amma sai ka samu ne a ba yanzu dai mun gane da hmm. shi dai wannan karatun dai kuma matsala ta ba babet din nan a kwatanta ma mutane su masu ɗimka ɗin wani irin cishi ne akwai cishi ɗin da ya aka ɗimka shi ko shi shaida ba ka iya yi ba to duk a kwatanta ma mutane ba abubuwa su tayar in suka aka ba su kwantara suka dimko suka kawo sun san ba su za su ba sai su kawo abin nan in kuma aka sai kun ga ɗiyan wahala suke cika abin gaɗin nan shi yasa ke ganin wasu ma ko sassa ba ce. to yanzu dai mun gane dake wannan karatun da yi bon avec ces mesures wani ba avec wani miliyan dai un peu compliqué mais bon les gars 45 jours et après ces 45 jours là ya kamata an ce ana ana shirye-shiryen examen c'est dans pas trop longtemps 6 août pour le BPC ko na brevet je suis bac août. Ça va Ça va. Et voilà, bonjour. Je me présente à Abdoulaye Sak Abdelaziz, élève au lycée Kasey, en classe de terminale D. Ok. Abdoulaye, Yayani. On se prépare mhm. parce que d'ici quelques jours, on va finir avec les 45 jours et Inch'Allah, on va boucler le programme. Parce que moi, je suis témoin, j'ai fait la terminale D1. C'est nous qui avons fini le programme en mathématiques. Ah ouais Hier, avant-hier. On a même commencé des exercices. Hmm. Et bientôt, on fera le devoir comme le gouvernement l'avait demandé pour l'évaluation, Inch'Allah, le samedi. Monsieur le professeur, quand je vois surai wannan ba vetkin dai Har ka vetkin nan ni sai dai in ce un dai wannan sai an fo problem ba abunda mm-hmm. abinda ake sai da dala da avenir kinka deja tun da sun yarda da yanzu gwamnati ya ɗauki sevre ya ɗauki engagement da kin da zai yin ba bai ba yi su ba mhm. kenan kawai su kuma su liƙe a ci gaba da karatu kun ji ko lega idanunsu su liƙe kunnuwansu kawai kowa ya kokari ya samu ba kin a ci gaba da karatu ko da lokacin da aka bamu lokacin da aka bamu dama kalilan ne eh. kuma akwai kiran da zani wajen gestion kin abun gami ake cewa eh, dispositif na lavage de main mm. fi sabilillahi su 'yan mambar da biro su ja hankalin abokansu paske mun yi remarke duk sahe in an aza sabuni kamin trezor ya tafi duk sahe sabuni ba sun kaka ko abokansu suke ɗauka su sai cikin aljihunsu to ko kun ce gwamnati ga abin da bai yi ba wanda ya yi kun ba ku nan gajere yadda ya <laughs> kamata ah? Ah, wanda ma gwamnati ya ba ku nan gajere kuma ai su ma suna da nasu laihin ko

Abdou, qu'est-ce que tu vas dire rapidement parce qu'on doit aller ah, Ok, moi je veux dire euh, au proviseur, euh, au point où il a dit de sensibiliser les camarades au niveau, au niveau des savons. Hmm. Mais l'État a dit de laver les mains à chaque 30 minutes. Et au cassé, on est au nombre de combien les élèves Moi je crois que même les kits qui nous ont amenés sont insuffisants. Souma ba ça, inda yanka a wanke a aiki qui ana so da kit On nan, wallahi c'est ça. D'accord. yawa mai ji hannu ba mu tsaya ba muna jihe-jihen magana eh vraiment abin da kwasta ne wanda mutane suka yi ni da kaina na ga wani abin gaɗin na harkar sabini <laughs> tsakani da Allah paske babu daɗi <laughs> babu daɗi paske a kawo sabini aji ko 30 minutes ba ai a ce sabini ya ɓace babu kyau mun shi da muke kwatanta mu yara ba wani abu ne ba mu ce ba gashi gashi amma muka ce ku yi sensibilizan ƙannan ku yayyanku wasu ku ce musu abin da saboda ku aka kawo Voilà, on revient euh, juste après la rubrique euh, de Nandi qui Famona. On en saura plus euh, dans cette rubrique présentée par Mr. Dondi. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nous sommes des loups contre le Covid-19. Ladies and gentlemen, même vie, même combat. Et quand l'engagement est noble, on le clame. Engagement pour engagement, parlons de ceux qui sont engagés, ceux qui utilisent leur art, leur œuvre, leur nom, leur image pour s'inscrire dans le combat contre la pandémie du Covid ou de la Covid-19. Nous avons reçu des grands noms sur cette émission. Tous à la FADA à travers cette rubrique consacrée aux artistes engagés pour lutter contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous accueillons une grande figure de la comédie nigérienne, voire sous-régionale. Il est humoriste mais aussi chanteur. Chers auditeurs, les and il a chanté dans le temps au sein d'une formation de la place. Comme vous savez déjà que nous sommes les meilleurs, ils alhamdulillah. <laughs> La formation dans le temps, Segda Boy, ça dit certainement beaucoup de choses, ok d'accord Alors aujourd'hui sur cette émission, nous allons recevoir l'artiste Yasmina. Yasmina. Yes, me now. Eh. Yes, me now. Yes, me now. Tia never ane passe Tia wita Setane eh. Tia setane Proshentia Yes, Mina Tu me veux Ça veut dire quoi, c'est <laughs> bébé Ça veut dire qu'on se veut, veut, ben, y a pas de souci. L'émission est tout simplement hip-hop, vous l'avez constaté. Nous sommes sur l'artiste s'exprime Covid-19. Alors nous recevons l'artiste Djingiri Rampo. Eh, oui. Oui, ça va là. Tu se passes bien là Oui, ça se passe très bien. Eh, tu pètes la forme ou c'est la forme qui te pète Je suis aux formes, pas en forme. Je suis aux formes. Tu es aux formes. Voilà, c'est pour <laughs> dire que la forme est derrière moi. Moi, je suis devant lui tu devais la forme. Alors, Dingir, je te souhaite la, bienvenue sur cette émission. Je te souhaite la bienvenue sur la rubrique L'artiste s'exprime Covid-19. Euh, la, pandémie donc de la Covid-19, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette maladie Dingir, eh, Je dirais tout simplement coronavirus, tu as gagné. Arrivé en Afrique, vraiment, tu as tapé poteau <laughs> et tu as raté. On t'a coloqué, <laughs> on t'a marteau, yes, I... on t'a tourné Ça veut dire que tu es foutu. <laughs> Alors, on t'a déjà vu. En tout cas, j'ai vu plus de 13 sketchs euh, sur le Covid-19. Alors, dis-moi, euh, Lampo, quel est le message que tu as voulu véhiculer Juste pour le prévenir qu'il n'est pas le bienvenu ici. Voilà, c'est pour dire que ici nous sommes chez nous. Voilà, il faut qu'ils se méfient de nous. Alors, voilà. Djingiri, déjà l'émission est kiffée par la jeunesse nigérienne. Exact. Un peu partout au Niger à travers nos radios partenaires. Alors je voudrais, euh, n'est-ce pas, que tu t'exprimes, que tu t'adresses à cette jeunesse. Oui. Parce que nous sommes majoritairement jeunes. Le Niger est jeune, 75% de la population est jeune. Alors, quel est le message adressé à la jeunesse aujourd'hui en ce qui concerne le coronavirus. Voilà, parce que la santé, elle n'a pas de prix. Bien sûr. Voilà, si tu es mort, c'est que tu es parti. Mhm. Voilà, tu n'es pas sur notre terrain ici. Corona, c'est ici. C'est-à-dire, c'est quand tu vis, tu vis qu'il a besoin de toi. Si tu pars là-bas, tu ne sais pas. Voilà, là, on laisse ça là-bas. C'est notre mission. <laughs> Vaut mieux te préparer dès maintenant. ok Et ce n'est pas, euh, euh, euh, ça ne concerne ni les enfants seulement, ni les jeunes, ni les vieux, ça concerne tout le monde. Donc, respectons les mesures préventives. Ok, Anga. dandi mukazo munta domin mu janu nije bito bonu ayi banim sambai sai doni fo kan niga ba kai daga bai jingiri lampo wani ah. oh, c'était donc au euh, Covid-19, l'artiste s'exprime, ladies and gentlemen, sur le studio Kalangu. On se prend dans un instant sous la mission Tous à la Fada. Machine, Jingiri Lampo retour à la fada gauna anan lycée kase yau dai su proviseur da NTA de NTD su Abdou su Fatuma su monsieur Haruna Sanseur da monsieur Haruna président qui kin assassin des parents d'élèves yau su suka karbi wannan shirin namu tusu à la fada muna nan muna hirba su kan wannan koma reprise kin da aka yi wannan Et ma da aka ba 'yan makaranta bisa kan nutsuwarsu bisa engagement kinsu bisa kan condition kin wannan karatun da suke nan gai L'Azélie, elle a dit Bavette, Bavette, Bavette. Même si proviseur a Bon, bavet, franchement, c'est un faux problème. Problème que Bavette, on a dit Bavette, il y a un karatu. C'est le moment de rassurer tout le monde. Zako, Aji, ah, Hankalon, Kukui, Karatu, Ne, Koko, Yani, Abdou, on a la on peut compter sur vous koko dai kawai dai mu je dai ga wani da kawai nan ina ba ku amsa eh in ana so ai kwance saman pour mm. nous pour terminer les 45 jours. Eh oui, oui. Si vraiment vous voulez compter sur nous pour terminer les 45 jours pour euh, sauver l'école Je te rappelle, hein, quand tu vois ton nom là, sur la fiche là, tu seras le premier à crier. À Après, ça sera moi, mais c'est toi le premier. D'accord. Donc, je continue. <laughs> oui. Là, j'attire un peu l'attention du haut pour un peu respecter les promesses. On dit la confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Aujourd'hui, nous avons parlé un peu sur les bavettes. Ce n'est pas seulement les bavettes. On a dit de respecter la distinction sociale. Tandis que nous, en classe, on s'assied à combien sur les tables bas Il y a des classes où il y a plus de 60 élèves par classe. Oui, oui. Et comment on va faire pour les camarades là, pour qu'ils puissent s'asseoir à un mètre, un mètre de distance À faire des bavettes là, même si on met ça à l'écart, on peut dire qu'il y a un autre problème. Déjà, le mot d'ordre du mardi que le comité directeur de l'ISN a lancé est un révélateur de plusieurs problèmes. Ok. Fatma Oui. Ben, voilà. Je reviens vers toi maintenant. Hmm. Toi, ça va, je peux me rassurer parce que il, est trop, il y a trop de complications dans l'affaire de Abdullah. Mhm. je, je, pense que, <laughs> franchement, on doit, on doit, on doit rassurer nos parents et uh-huh. tout parce que c'est notre avenir qui est en jeu c'est pas l'avenir de nos parents, bien du gouvernement ou bien un truc comme ça, c'est nous. Et c'est à nous de, de, nous battre. Et les petits problèmes, on peut pas, on peut pas s'empêcher. Il y a des problèmes, on peut pas, on peut pas. C'est, c'est pas seulement le corona. avant, le, le il y, en a eu des problèmes et tout, mais on arrive à gérer ça. Et c'est maintenant que j'invite mes, mes camarades et mes camarades de, eux aussi de vraiment mettre le paquet, de ne pas, de ne pas et, se morfondre à cause des problèmes et tout pour qu'on puisse finir l'année vraiment en beauté. En beauté. Donc, quand je fais parents d'élèves, nous avons un papa avec nous. Il va parler au, nom de, des autres. papas. comment vous. Qu'est-ce que vous allez dire à ces élèves-là euh, Avant allions dire élèves, avant de du kewayen da kewayen da muke duk kewayen da muke ba na wani abu ne saboda eh, mu gyara musu rayuwarsu zuwa gaba abin din su ne mm-hmm. muke neman su gyara mm. don kayan a ba wani magana a yi wani abu shi ne muke kwatanta mai yara duk abubuwan da kowa ke yi saboda ku ke yi in kuka gane da haka nan ina ta masai mu ci gaba su ko mushika su kayan su zama mushika su ma sai suka zama elef a rinke hakuri da yan lakon mm-hmm, mm-hmm. ba a ce ba abin ga su mai a rinke kula a rinke ba su magana ka a gaji a gaji a da suke buɗa shi kuma gwamnati ya ɗauki tun da shi ke babba maganar da yake iya cika engagement da yake cika ya ranke ɗaukar shi kuma in bai cika ya kiran partner tun da wuri ya kwatanta musu ga abin da ba a iya yi don saboda ga matsalar ta same mu mm, sai ga kowa sai kama jikin shi a ta yi abin gada daidai amma ya ne sai ranar abin kak a ce gashi kowa ba ya jin daɗi to yanzu mai so da provisor magana ta ƙarshe zogga ma wa'annan ɗaliban naku 'yan makarantar naku da ya kamata wasu examen ne ma za su yi atake magana ta ƙarshe cikin wannan shirin namu magana ta ta ƙarshe yadda na haɗi ne mm. na ce vraiment bavet wannan abu ne wanda kowa yana iya samun shi tunda ba abu ne mai tsada ba suna kawo zancen wani burs ko zancen allocation in kun ɗauka a nan lise ka sai effective kinmu 2915 eh, 11 gare mu Sur les 2915 élèves, allocataires 53 ne pour 53 élèves sur 2, 2915 vous imaginez 53 c'est vraiment insignifiant wannan kun bai kamata ba don saboda wannan ku zo ku ce ai gashi allocation gashi allo dan saboda allocation ne ba za ku karatu ba abdu eh. a lorkun ai gashi an yi ba a ba su allocation kin ba gashi yanzu nan an kai muna cikin wata na biyar mai ai suna nan da rayuwarsu suna ci suna sha tunda allocation kuɗin ma nawa ne sai kai wata uku a baka a baka 11500 11500 ai shi ba shi ba shine suke cin abinci ba wanzu mil sankin nan dama suna dai ne wannan a lokacin. To, kun shi ko wannan shirin dai. duka dai shi ma ana iya sa shi tare da haraka da nake cewa fo problem

Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon mois de juin à vous tous qui vous nous écoutez ou que vous soyez. Recevez nos chaleureuses salutations. Que ce mois de juin soit un mois symbolique pour nous parce que c'est déjà mi euh, de l'année, c'est-à-dire on a déjà fait six mois de l'année. Donc euh, pour nous au studio Kalambu hein. et surtout pour l'équipe jeune, c'est un an de travail, un an de carrière pour certains d'entre nous et surtout un an d'échange avec vous, beau public, où que vous soyez. Recevez une, une fois encore nos remerciements. Alors, Rabi, un an de travail, de recherche, de, sujets, de formation dans le but de réaliser de belles émissions. Où que nos éditeurs soient, bah, sachez très bien que c'est grâce à votre force que nous essayons de faire le meilleur. Merci à nos auditeurs de Maradi, Tilaberi, Zender, Tawa, Dosso, Agadez. On fait un gros coucou. Alors, Rabi, comment l'équipe travaille Qu'est-ce qui guide les thèmes choisis par les animateurs Par exemple, aujourd'hui, tu es en train de parler de l'éducation. Est-ce que tu peux dire à nos éditeurs pourquoi tu as choisi de parler de ce thème Ben, il fallait en parler parce que déjà, c'est quelque chose qu'on a déjà traversé. L'école, on a été à l'école et on a encore des petits frères et des petites sœurs qui sont à l'école. Forcément, leurs problèmes sont nos problèmes. Alors aujourd'hui, tu, es l'invité de ma chronique. Tu l'as très bien compris, Ravi. Ah ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, comment est-ce que l'équipe de Tous Fada choisit ses sujets On a parlé de délinquance, on a parlé de politique, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de culture. On, a, on était allé jusqu'à Maradi pour aller parler de la culture nigériane qui a une influence sur la culture nigérienne. Comment est-ce que l'équipe de Studio Kalangu, surtout l'équipe jeune, choisit ces sujets Bon, Olivier, il y a déjà deux catégories de, choix de sujets qu'on établit en groupe. Quand on est ici à Niamey, on parle euh, de l'actualité. C'est plus l'actualité. Par exemple, là, c'est la reprise, c'est 45 jours. il fallait en parler. Mais ben voilà, oui, donc c'était plus ça. Mais maintenant, quand on voyage, quand on va à l'intérieur, par exemple à Tessawa, on était à Tessawa, on a parlé de Armanjari. Armanjari, c'est ce business qui se passe autour du mariage. Donc à chaque fois, quand on va dans une localité, si on n'a pas un fait, si on n'a pas l'actualité, à débattre autour de l'actualité, en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui touche les jeunes. Du coup, on va, on demande c'est quoi le problème, de quoi vous voulez parler, et on va en parler. Ensemble, on va trouver des solutions. C'est comme ça qu'on procède. En gros, c'est parler des jeunes pour les jeunes, avec les jeunes. Ben voilà. Super. Merci Ravi pour ces précisions. Alors, après une année d'expertise, une année de travail, l'équipe jeune du studio Kalangou est allée à la rencontre de ses auditeurs et auditrices en leur donnant la parole. Et voici ce que les gens pensent de parce que ça nous sensibilise. Dès qu'il est l'heure, tout le monde est à l'écoute, même ceux qui ne sont pas jeunes, parce que ça les aide. On écoute tous cette émission chaque jour. Ça motive beaucoup les jeunes et c'est une émission qui a été bien pensée dès le début. Cependant, la seule amélioration qu'il faut apporter dans ce programme de jeunes, c'est de ne pas s'arrêter uniquement au niveau des villes. Il faut aller jusqu'à dans les villages pour faire intervenir les jeunes. Tellement intéressé, à partir de 17 euh, tous les jeunes s'intéressaient à ouvrir leur poste radio, leur téléphone pour écouter cette émission parce que ça les intéresse beaucoup. Ça les contribue comme une euh, sensibilisation des informations de différentes euh, régions. Merci à vous d'avoir pris la parole et d'avoir surtout dit ce que vous pensez de nous. Merci infini à nos auditeurs et auditrices. Et surtout, merci à ces gens-là qui nous facilitent la tâche, comme aujourd'hui le proviseur du lycée Cassé, comme l'a fait le censeur de, de, Azender, comme l'a fait les chefs de, village, les maires qui nous ont accueillis partout où nous étions. Vous nous avez accueillis. C'est le moment de vous merci dire à tout le monde. infini à vous.

kowa da kowa don a samu da ita wannan anikin a kare ta lahiya et eh, masu bak su samu bakin su masu bibi su samu bibi su kinsu mu kuma fetan kawai muke so Bon, c'est la fin de tout ça la fada. C'est mon cara doit tu N'oubliez pas le numéro magique de la fada où vous pouvez réagir pour pas me parce qu'on a géré chez Namu. Tamanon, c'est plus chida, taman takos, hamsin la houdou. Merci, bye bye au lycée Kassei et eh, merci au lycée Kassei. Merci à vous aussi. On se revoit une autre fois de la fada du samedi.